le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum forum forum forum forum forum du studio Kalamkou Il est 18h passé de 15 minutes. Merci de, rester en notre compagnie. Très ravi de vous retrouver ce soir pour cet autre numéro du Forum de Studio Kalangou. C'est tout de suite un espace d'échange, de débat, de sujets qui intéressent les populations. Diallo, Maria Makenda, ce micro, 45 minutes, c'est le temps d'antenne que nous passerons ensemble. Bonsoir à tous. Nous sommes lundi 24 octobre 2016. La formation du nouveau gouvernement, c'était mercredi dernier. L'on note par ailleurs huit entrées dans les six portefeuilles ministériels qui reviennent au mouvement national pour la Société du développement MNSD qui a quitté récemment l'opposition pour rejoindre le camp présidentiel. Les femmes sont au nombre de 8 autant que dans le précédent, soit 19% en dessous de 25% prévu par la loi sur le quota votée par l'Assemblée nationale en 2014. Quatre jours après, où en sont les femmes par rapport à leurs revendications Quelles sont les réactions des différents partis Vous entendrez le MNSD MNSD, tendance, pouvoir et les non-affiliés. Autre sujet brûlant de l'actualité, la nomination de Seni Oumarou, président du MNSD Nassara, nouvel allié de la majorité au pouvoir, au représentant du président de la République, un poste créé pour la première fois au Niger, l'analyse du juriste Dr Amadou Hassan Boubacar. Niala, on en parle beaucoup. Le haut commissaire chargé de cette opération, Niamé la Coquette, a rencontré ce matin les chefs de quartier. Enfin, nous parlerons de la session présidée ce matin par la session ordinaire du mois d'octobre qui a traité la question du retrait des fréquences radioélectriques en cessation d'exploitation. Bienvenue, messieurs, dames. Le développement de tous ces titres, je le disais tout à l'heure, le nouveau gouvernement d'union nationale est connu depuis quelques jours. Un gouvernement composé de 42 ministres. Sur la représentation des femmes, elle n'est que de 19% au lieu de 25%, ce qui montre clairement que le quota n'a pas été respecté. Alors qu'en pensent les organisations féminines, Aminatou dauda Hainikoy est une militante et activiste des droits de la femme au Niger. Elle répond aux questions de Nafissa Adamou Serfo. Nos constatations, nos impressions sont euh, négatives par rapport à l'évolution qui est en train de connaître la loi sur le soutien au Niger. Parce que euh, au début, c'était vraiment une bonne chose. En 2005, cette loi a été adoptée et appliquée au Niger parce que ça a permis quand même aux élections municipales de 2004 de faire émerger beaucoup de femmes dans les instances de prise de décision. Donc, on a eu beaucoup de femmes conseillères, beaucoup de femmes maires euh, et ce qui était une bonne chose. Mais malheureusement, euh, depuis l'avènement de la septième République, cette loi souffre d'application parce qu'à chaque fois quand il s'agit de nommer un gouvernement, et on se rend compte que le quota A, c'est à peine qu'on l'applique. Deux fois, c'est après des déclarations des organisations féminines que vraiment le politique arrive à pouvoir l'atteindre dans son temps. Selon vous, où se situe le problème Le problème, c'est avant tout un problème de volonté politique parce qu'on l'a vu. Si c'est une loi, on l'a eu. La loi, elle est là. Mais maintenant, c'est l'application qui cause problème. Et c'est pour cela que pour nous, c'est un problème de manque de volonté politique parce que euh, on a vu avec euh, les élections législatives où le problème ne se pose pas, tout simplement parce que le contrôle est fait au niveau de la Cour constitutionnelle. Toute liste de partis politiques qui ne correspond pas à la règle est sur le champ rejeté. Donc, du coup, même si ça ne plaît pas aux partis politiques, ils font tout quand même pour remplir le minimum. Parce que là où même le problème se pose, c'est quoi C'est que le politicien nigérien a une lecture minimum même de la loi sur le quota. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils font tout pour appliquer. En fait, ils donnent... C'est compris dans un sens réducteur par les partis politiques. la loi sur le quota est non seulement entendue comme s'appliquer exclusivement aux femmes, mais surtout elle est limité à la marge de 10%. Donc, de ce fait, les partis politiques se contentent d'assurer les 10% et de la représentation aux femmes et ils sont en conformité avec la loi impose tout. Alors que cette loi, le, pourcentage qu'ils prennent n'est qu'une limite maximale et non la limite minimale. Mm. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils ne sont pas obligés de s'arrêter au niveau du pourcentage fixé. Mais c'est de tout faire pour atteindre le minimum et aller au-delà. Par exemple, un parti peut décider aujourd'hui d'avoir la parité à son sein. Rien ne l'empêche. Mais au contraire, ce qui est interdit, c'est d'avoir moins que le quota qui a été fixé. Donc, à ce niveau-là, la responsabilité, c'est du point de vue des leaders de partis politiques même. Maintenant, concernant l'application de la loi même, ça, ça relève vraiment de la volonté politique et en premier plan du président de la République parce que avant tout, le Premier ministre lui propose une équipe et en tant que chef de l'État, il doit quand même, c'est des lois de la République qui ont été votées et c'est des lois pour lequel chaque jour euh, des plaidoyers, des lobbying sont en train d'être faits pour que les femmes, parce qu'il ne s'agissait pas simplement de dire dans les discours que nous avons prévu ceci aux femmes et aux jeunes, alors que dans les faits, ça ne suit pas. Moi, je pense que rien que pour la politique même de la Renaissance, ça veut dire quoi Ça veut dire faire participer les citoyens aux actions publiques, particulièrement les femmes, parce que c'est elles qui ne sont pas présente les, les autres voient comme si c'est en faveur, c'est une loi adoptée pour les femmes, mais également, ils pensent que c'est un maximum. Ça n'a jamais été un maximum, mais c'est toujours un minimum qu'on doit respecter. Oui, effectivement, euh, ce gouvernement, il est connu il y a de cela quelques jours, mais à la date d'aujourd'hui, aucune association féminine n'est sortie pour dénoncer cette faible représentation des femmes au sein des décisions. Est-ce une démission venant d'elle ou bien, si on peut le dire, ont-elles cautionné cette situation selon vous euh, en se référant à la composition du premier gouvernement de la deuxième mandature de la septième République, on a vu que le lendemain, après quelques tractations, quelques organisations féminines à la tête duquel la Convention a fait euh, un communiqué ou une déclaration. Et moi, je pense que tout ceci doit vraiment, on doit l'arrêter. C'est une loi. On doit l'appliquer. Si elle n'est pas appliquée, on doit tout simplement saisir les tribunaux. C'est simple. C'est de cette façon qu'on rend vraiment justice à la femme nigérienne. C'est à travers cette façon aussi que nous, en tant que femmes, en tant qu'organisation féminine et fêtière des femmes, on montre aux gouvernants, on montre aux politiques que nous sommes vraiment derrière cette loi-là. Tant qu'elle n'est pas appliquée, nous sommes prêts à aller juste devant les tribunaux et qui rendra une décision et qui automatiquement va remettre les femmes dans leurs droits. Donc, on n'a pas besoin d'aller faire de déclarations ou bien de communiquer ou bien d'aller commander. Moi, je suis personnellement contre ça. Je me dis que nous ne sommes pas à notre premier cas. Donc, le mieux serait vraiment, ce ne reste que pour la jurisprudence, au moins que ces organisations féminines-là puissent saisir les tribunaux pour avoir une décision de la justice qui va non seulement obliger celles là qui sont aujourd'hui aux affaires, les obliger à remplir la loi, mais également à ceux qui seront amener à appliquer cette loi dans le futur, à faire attention à ce qu'elle ne soit pas effective. Donc moi, je pense que s'il y a euh, quelqu'un à interpeller, c'est effectivement la Congafen, qui est vraiment l'organisation fêtière des structures féminines, mais également de l'Observatoire national. L'Observatoire est là, il a été mis en place, on ne sait pas ce qui se passe, mais normalement, cet observatoire-là doit servir pour des cas pareils quand ça ne va pas, quand il y a des violations graves, parce que ça, c'est une loi qui a été violée aussi au de tout le monde. Mhm. Donc, on n'a pas besoin d'aller négocier quoi que, qui que ce soit. Donc, euh, selon vous, qu'est-ce qui doit être euh, concrètement fait pour permettre euh, une participation des femmes au développement et à la prise de décision au sein du gouvernement ce que nous pouvons recommander, c'est toujours euh, de continuer à faire du lobbying au niveau des partis politiques, parce que le problème de l'émergence des femmes se trouve à ce niveau. Et on a vu avec la loi, ça n'a pas permis de résoudre le problème parce qu'il faut qu'il y ait de la volonté politique, non seulement des leaders de partis politiques pour qu'ils puissent vraiment positionner les femmes au niveau des instances proposer des femmes quand on veut vraiment former des gouvernements, ainsi de suite. Parce que ce qu'on ne doit pas perdre de vue, c'est des partis qui ont proposé quand même des personnes pour aller siéger dans le gouvernement. Si les leaders des partis politiques avaient vraiment une culture de promotion du leadership féminin, ils allaient vraiment proposer des noms des femmes, ce qui n'a pas été fait il faut, à mon avis, également valoriser les femmes suppléantes et candidates non élues. Parce que c'est des femmes quand même qui ont su démontrer un certain niveau de leadership en acceptant déjà de se porter candidate et d'aller faire tout le processus des élections. Même si elles n'ont pas gagné, elles sont quand même, en termes de renforcement des capacités, c'est des femmes vraiment qui sont outillées, qui peuvent, si Dieu le veut, prochainement être élues comme les autres. À côté de ces femmes-là qui ont vraiment qui se sont battus dont malheureusement n'ont pas pu être élus, il y a celles qui ont été élus. Qu'est-ce qu'il faut faire à leur égard Il faut les accompagner du point de vue de leadership politique. Parce qu'on a vu aujourd'hui, nous, nous avons quand même quelques femmes élues, mais en termes de rendement et une en tant que femme qu'est-ce qu'elle apporte au mouvement féminin. Si vraiment on ne renforçait pas leurs capacités, elles ne sont pas vraiment prêtes à défendre la cause féminine, je me dis que c'est zéro. On peut même avoir des femmes et puis ne pas apporter un plus au mouvement. Pour finir, je me dis que il faut non seulement intensifier l'éducation aux gens et à la loi sur le quota, mais également constituer un pôle pour le changement. Parce qu'il y a les cadres aussi qui manquent, les cadres faits de vos, des cadres d'échange, de discussion, des débats entre les femmes, de tous les bords, des femmes, de tous les domaines, des femmes élues et non élues, pour qu'elles arrivent quand même à se prononcer par rapport à leur mouvement, par, par rapport à la marche euh, de l'émergence sur l'émergence de la femme nigérienne. Aujourd'hui, ça, ça manque. Et je pense que la question vraiment aux organisations féminines, individuellement prises comme collectivement. Elles doivent vraiment se réveiller et changer de stratégie euh, pour qu'elles puissent gagner. Parce que jusque-là, on a vu que tout ce qu'on sait faire, c'est d'aller faire un communiqué quand on nomme le gouvernement et que le quota n'est pas respecté. Alors que là, ce n'est que le côté visible des choses. Parce qu'on peut contrôler au niveau de l'Assemblée, on peut contrôler au niveau du gouvernement, et c'est tout. Quant aux, emplois civils et supérieurs de la nation, qui est là pour contrôler Quand on nomme à chaque conseil de ministre, qui est là pour vérifier si le contrat est respecté On a vu tout même avec la nomination du cadre de commandement. Pour une première, on a nommé deux alors qu'on a combien Il y a du côté de la santé, il y a combien de femmes dans les écoles, à l'université, tout ça là. Moi, je pense que il est nécessaire que les femmes puissent vraiment s'asseoir, faire fonctionner l'Observatoire national sur les, droits des femmes, que la Congrégation puisse avoir vraiment un cadre lui permettant de faire tout ça, là, de faire cette euh, réflexion et d'avoir des statistiques un peu partout dans tous les domaines pour voir est-ce que au-delà du gouvernement et de l'Assemblée, il y a une représentativité des femmes conformément au respect de la loi sur le quota. Donc on est vraiment loin de dire qu'aujourd'hui les femmes gèrent juste pleinement et de façon effective de leurs droits. C'était Aminatou Daouda Hainikoy, une militante et activiste des droits de la femme au Niger. La mise en place du nouveau gouvernement suscite toujours des réactions dans le rang des personnalités euh, politiques et acteurs de la société civile. À la fin de la semaine dernière, vous avez pu entendre la réaction de la frange de l'ex-parti État qui est hostile au ralliement à la mouvance présidentielle et très critique sur la formation du gouvernement. Voici le point de vue de ceux qui applaudissent la composition de la nouvelle équipe. Écoutez Amadou Idé, porte-parole de ce courant au micro de Abdoulaye Adam. Au niveau du bureau politique euh, MNSD Nassara, nous sommes euh, très très satisfaits de la composition de ce gouvernement. Déjà, nous, au départ, nous avons dit que nous acceptons la main tendue du président de la République parce que notre pays, le Niger, fait face à plusieurs défis. Non seulement il y a le défi sécuritaire qui préoccupe tous les Nigériens, qui prend des ampleurs ces derniers temps. Il y a également le défi socio et qui interpelle tous les politiciens. Donc euh, il faut vraiment avoir pitié de ce pays, de ce Niger qui appartient à nous tous et qui doit être pour nous un havre de paix. On ne peut pas avoir la paix dans la on ne peut pas avoir la paix dans les joutes oratoires qui ne prennent jamais fin. Non, il est grand temps aujourd'hui que vraiment les Nigériens se regardent en face, pas en chien de faïence, pour bien travailler, pour bien construire ce pays. Nous occupons des postes au niveau de ce gouvernement-là. Nous ne sommes pas venus, comme prétendent certains, au gouvernement pour des postes de Nous sommes venus pour travailler pardon qu'on nous colle la paix. On veut travailler, oh, on va travailler. Que répondez-vous à ceux qui pensent que vous êtes venus au mangeoire Oui, mais la dernière fois, moi, j'ai répondu à RFI que euh, nous, on n'a pas faim pour venir à la mangeoire. Il faut nous regarder, regarder tous les militants. Même euh, quand vous regardez au niveau de, de la prise de contact des ministres, vous avez vu nos ministres, est-ce qu'ils sont des avamis? Est-ce qu'ils ressemblent à des affamés Non, parlons sérieux. De toute façon, nous, j'ai dit qu'on en a assez des infernal. infernales. Ça suffit, il faut construire ce pays. Ce pays a besoin d'être construit. Le Niger est riche, mais s'il y a la divergence entre les politiciens quotidiennement, si on n'a pas pitié de ce pays, on ne peut aller nulle part. Aujourd'hui, il faut aussi tendre la main à l'autre opposition qui n'est pas venue, certainement. Elle se prépare pour venir, certainement peut-être. Je ne suis pas dans leur secret, mais quand même, il faut continuer à les approcher pour que nous puissions définitivement faire nos Monsieur Adamou, est-ce qu'aujourd'hui le MNSD est réellement satisfait du nombre de postes euh, ou des postes ministériels qui lui a été attribués Je vous dis que nous sommes très, très, très complètement satisfaits. Nous occupons six postes ministériels. Je crois qu'on va nous juger à l'œuvre. Nous ne sommes pas venus pour des postes. Nous sommes venus pour travailler et c'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan. Nous sommes très satisfaits, ne vous en faites pas. Monsieur Adamou, on constate que c'est un gouvernement de 42 membres. Qu'est-ce que euh, cela euh, vous inspire comme commentaire ça ne, me suscite pas de, ça commentaires. Il appartient au président Issifou de, de savoir la taille du gouvernement qui peut lui faire le travail. De toute façon, la loi l'autorise. Oui, mais vous ne pensez pas que c'est un gouvernement pléthorique Pour moi, pour moi, il n'y a rien de pléthorique. Je ne peux pas le prononcer pour dire que c'est un gouvernement pléthorique. Pourquoi pléthorique Ce n'est pas le jugement pléthorique qu'il faut faire, mais le travail. Moi, je pense que pour juger des gens, il faut les laisser un temps travailler. ce gouvernement n'a même pas 100 jours. On parle de gouvernement pléthorique, on parle des incompétents, on parle de ça. Or, dès qu'on les regarde, on sent que c'est des technocrates. C'est des technocrates qui sont là. Ils vont bien faire le travail. Monsieur Adamou, les femmes ne sont pas aussi nombreuses comme euh, le prévoit la règle de 25%. Ah, si, si je pense qu'il y a suffisamment de femmes au niveau de ce gouvernement. Oui, en fait, euh, le quota actuel est à 19%, alors que la loi prévoit 25%. ça, c'est autre chose. Franchement, je ne suis pas là pour juger eh, eh, eh, de, cette taille. Je ne suis pas là. Moi, je suis là pour encourager le gouvernement à bien travailler. Voilà mon rôle. En tout cas, je suis partie prenante et aujourd'hui, j'encourage ce gouvernement-là à bien à suivre les Nigériens, à suivre leurs critiques et à améliorer leur performance. leur performance. Selon vous, quels sont les défis qu'aura relever ce gouvernement Je déjà parlé du défi sécuritaire. Il est là. Hmm. Vous le savez très bien. J'étais parlé aussi du défi socio-économique, du défi socio-politique. De toute façon, on a beaucoup de défis à relever. Et je pense que ce gouvernement va relever ces défis-là faut négocier avec les, partenaires, il faut vraiment euh, avoir négocié avec, euh, n'est-ce pas, la société civile tous ceux qui sont là, qu'on se comprenne, c'est tout, qu'on s'assoit sur une même table, qu'on se parle, en tout cas qu'on rit ensemble, n'est-ce pas C'est ça qui, qui, est mieux recherché. Nous avons besoin de nous comprendre entre nous, un appel à l'endroit de quelques-uns de vos militants qui n'ont pas la même conception des choses que vous Moi, je pense que ces militants-là, ils doivent observer au moins la moindre règle de démocratie. démocratiquement que nous nous sommes réunis. C'est démocratiquement que nous avons soumis nos sujets au vote. C'est démocratiquement que 148 participants à la session ont voté il y a quatre noms. Aujourd'hui, il n'y a aucune raison, si on se sent vraiment sérieusement démocrate, il n'y a aucune raison de ne pas se plier à la règle de la majorité. Vous-même, voyez-vous, est-ce qu'on peut critiquer, on peut dire qu'il n'y a pas de démocratie au Niger, alors que les gens même qui font la critique ne respectent pas la démocratie Voilà des problèmes, s'il vous plaît. Respectons les choses si nous voulons qu'on nous respecte. Oui, Monsieur Adamou, dernière question. Un gouvernement de plus de 40 membres, êtes-vous confiant quant à sa réussite Très bien confiant, ils vont réussir, Lau. puisque c'est des technocrates. On a vu leur figure, on a vu le visage des uns et des autres, on sait qu'ils vont réussir. Vous êtes tout à fait confiant alors Très confiant, Adam porte-parole euh, du MNSD et parti MNSD mouvant sa présidentielle. Réaction politique encore, celle de Tahiro Gimba, président du parti, modèle Maïkata, membre du groupe non affilié. Il commente le nombre de ministres, selon lui, trop élevé. Par rapport à ce gouvernement, il est irrationnel, inadapté, inadéquat et inopportun. On ne gouverne pas pour soi-même ou pour des amis. Je pense que la montagne a accouché d'une souris. Les Nigériens s'attendent à tout sauf à un gouvernement de cette taille-là. Si on ne gouverne pas pour soi-même, il n'est pas tard. Ce soir ou demain, je crois que le chef d'État peut revenir là-dessus et présenter quelque chose de plus digeste aux Nigériens. La Chine a 1,5 milliard millions d'habitants. Elle a 37 ministres. Nous avons préconisé 16 ministères à institutionnaliser. Mais on s'est rendu compte que six mois après sa réinstallation, les leçons ne sont pas encore tirées. On se retrouve une soirée de foire parce que 43 ministres dans un pays comme le Niger, dernier de la planète en aide de développement humain, c'est une gabegie. Et je pense que euh, on doit euh, réfléchir parce que les réactions sont là, sont unanimes. Je suis persuadé, si vous en avez des instituts de sondage fiables, qualifiés, même au sein des partis dits de la majorité, même au sein des familles dont certains ministres sont issus, on est conscient que ce qui s'est passé ressemble plus à un scandale qu'à autre chose. Vraiment, on ne s'attendait pas à des choses comme ça. On s'est dit qu'il a récompensé déjà 5-6 mois, bon, ils ont pris un peu de glaçons ça suffit, et que maintenant, il faut aller aux choses sérieuses et au travail. Vous ne pouvez pas solutionner euh, des postes ministériels de cette façon et s'attendre à des résultats, à, à quelque chose de miraculeux. Il n'y en aura pas tous les piliers qui font un État sont par terre. Et on se donne le luxe d'avoir aujourd'hui près de 200 personnalités qui ont rendu ministre au Niger. C'est les 43 seulement que vous voyez. Il y a tous les directeurs des cabinets, leurs adjoints, les secrétaires généraux et leurs adjoints de la présidence de la primature de l'Assemblée et d'autres institutions qui ont rendu ministre. Et avantage. Tous les hauts commissaires de ceci ou de cela ont rendu ministre et leur avantage. Il n'y a pas longtemps, on a évité les élections locales. Si on a de l'argent pour financer près de 200 personnalités communistes dans un pays et des institutions à ne rien faire en vrac, j'ai dit, on n'a aucun droit de violer les lois et ne pas organiser les élections locales. Ils sont le fondement de la démocratie, puisque la démocratie à la base. Tout au plus, quand vous prenez la nomenclature d'un État, on a un régime de type semi-présidentiel. Le pouvoir est détenu essentiellement par neuf personnalités. Tout le reste, c'est vrai, ils sont nécessaires, mais ils viennent après. Le président de la République qui est chef de l'exécutif, le président de l'Assemblée qui est le numéro 2 du régime, le premier ministre qui seconde le chef de l'État de, l'exécutif, et les six ministres. De Gaulle les avait définis cinq, mais au Niger, ils sont six. Défense, intérieur, affaires étrangères, finances, justice et le pétrole, parce que tout le bruit qu'on fait, si on n'avait pas hérité de ce pétrole, on n'aurait fait même pas un mètre ou un kilomètre de la territoire parce qu'on n'avait pas les moyens de le faire. On est à 25 ans de démocratisation. Le Niger vient de connaître 5 coups d'État en 25 ans. Il y a deux coups d'État civils et trois coups d'État militaires. Le premier civil, on a écarté Ali Chebou. On a installé un, un, gouvernement de transition avec un premier chef suprême des armées. C'est déjà même vu, mais c'est le Niger. Les autres qui sont succédés, on les connaît, c'est le cas du général, le général Baré, paix à son âme, Lord et Saoulou Jibo. Le dernier, c'est souvent de lui-même, parce qu'en 2016, il a fait un coup de force pour se réinstaller. Et c'est dû essentiellement à la mauvaise compréhension de la chose publique, de la chose politique par la classe politique issue de la conférence nationale. Parce que c'est un système de partage et de chantage, de chantage des postes, chantage de ceci, partager de cela. Donc des illusionnistes de la conférence nationale à maintenant et inadaptés aux réalités sociopolitiques du pays. Mais quand est-ce que, bon Dieu, nous allons prendre le chemin pour amorcer un réel développement d'un pays La Chine aujourd'hui, c'est pratiquement la co ou la première ou la première ex puissance économique mondiale. Alors qu'à l'indépendance, à 50 ans, les Nigériens étaient plus riches que les Chinois. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils se sont remis au travail et ils sont restés soudés. Mais là, nous, au lieu qu'on se ressoude, qu'on se rassemble sur des bases saines, non, on prend des chemins toujours tortueux propos recueillis par Soumana Amadou. Autre sujet qui fait couler beaucoup d'encre de salive, la nomination du tout nouveau haut représentant du président de la République qui occuperait le cinquième rang du point de vue protocolaire, donc bien avant certains responsables d'institutions constitutionnelles de la République Analyse du président de l'Association nigérienne des constitutionnalistes, Dr Amadou Hassan Boubacar. Comme vous l'avez dit, on a vu la nomination du haut représentant du président de la République qui est intervenu le 20 octobre dernier, que euh, cette personnalité de haut rang occupe euh, la cinquième place dans l'ordre du protocole euh, d'État, c'est-à-dire que dans les cérémonies officielles, donc il vient avant certaines institutions et constitutionnelles. Justement, cela apparaît un peu bizarre, puisque, comme vous l'avez rappelé, le haut représentant du président de la République a été nommé. Donc d'ailleurs, le poste a été créé par décret et euh, cette personnalité qui occupe ce, poste-là a également été euh, nommée par décret alors qu'il y a euh, beaucoup d'institutions qui sont prévues dans la Constitution et que aujourd'hui la nomination de cette personnalité bouleverse un peu la préséance dans le protocole d'État. Donc là, je pense qu'à ce niveau, effectivement, il y a un problème. C'est pour ça, sur certains médias, j'avais dit, au regard de l'importance du poste du haut représentant du président de la République, il aurait fallu au moins que cette institution soit créée, nécessairement serait-ce que par une loi, à défaut euh, que qu'on constitutionnalise le poste. Peut-être bon, compte tenu de la nouvelle donne, le ralliement donc du MNST à la mouvance présidentielle, euh, c'est qui avait précipité justement les choses pour voir euh, dans ces conditions est-ce qu'il fallait instituer le poste du haut représentant du président de la République par loi, à défaut euh, de modifier la constitution dans les conditions actuelles. Mais effectivement, ça pose un problème où voilà une structure qui est créée par décret et qui prend place avant les institutions constitutionnelles. Donc là, vous remarquerez que le poste de haut représentant du président de la République, c'est une fonction hautement politique, donc qui vient justement euh, remettre en cause l'ordre protocolaire qui existait jusque-là où euh, ce sont les institutions constitutionnelles qui défilent, le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, euh, la, la, présidente de la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d'État, la Cour des comptes, le Conseil supérieur de la communication, donc ainsi le président du Conseil économique, social et culturel. Donc tout ça, vous voyez, ce sont des institutions constitutionnelles. Et maintenant, par un simple le euh, décret du président de la République, ça remet en cause un peu, euh, en termes donc de rang, euh, toutes ces personnalités-là qui animent ces institutions constitutionnelles. Et quelles sont les attributions ou bien la mission du haut représentant du président de la République Le décret qui a créé, en tout cas, le haut représentant du président de la République a fixé ses missions. Donc, notamment, le haut représentant du président de la République est chargé de l'exécution des missions donc de représentation du président de la République, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Il est également euh, chargé de la conduite et de la gestion des projets à caractère politique, économique ou, social à lui confié par le président de la République. Donc vous vous rendez compte que c'est quand même une personnalité politique euh, très éminente et qui jouit euh, de la confiance du président de la République puisque lorsqu'on dit qu'il peut représenter le président de la République tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays et qu'il peut conduire et gérer des grands projets à caractère politique, économique et ou social, je pense que vous vous rendez compte que c'est vraiment l'homme de confiance du président de de la République. Beaucoup d'acteurs de la société civile ou bien d'observateurs pensent qu'il est très bien nanti, ce poste est très bien garni, plus garni que les autres postes euh, constitutionnels euh, de la République. Ça, c'est les gens qui, le disent. De toute façon, les lois organiques relatives à toutes ces institutions de la République sont là. Les gens peuvent prendre pour les comparer, pour voir est-ce que réellement, au, regard justement de l'organisation d'abord de ces institutions, euh, des cabinets donc de leur président et tout ce qui s'ensuit, est-ce que le poste du haut de représentant du président de la République et, aussi garni que les gens le disent. De toutes les façons, les textes sont publics, donc euh, on peut le voir. Et comme je l'ai euh, dit, le poste du haut représentant euh, du président de la République, c'est un poste éminemment politique. Merci bien, donc, je vous en prie. Propos recueillis par Mokhtar Amado. tout à l'heure, vous avez entendu la réaction d'une militante et activiste des droits de la femme au Niger au sujet du non-respect du quota des femmes dans le nouveau gouvernement à présent, je vous propose de suivre la réaction des organisations ONG Association des femmes du Niger à Congafen qui vient de tenir une réunion au siège de la Congafen. La Congafen compte entreprendre très prochainement des actions pour le respect strict de la loi sur le quota euh, des 25%. Écoutons à cet effet Madame Maman Zeynabou, trésorière de la Congafen, et les micro de Abdoulaye Mamoudou. notre réunion d'aujourd'hui, c'est une réunion de concertation avec euh, les différentes structures, les grands réseaux des femmes, pour discuter sur le nouveau gouvernement qui vient d'être mis en place. Le quota n'est pas respecté, une fois de plus encore, malgré tout ce qui a été fait, tout ce qui s'est dit entre nous et le Premier ministre et, au premier gouvernement de la 7e République. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui nous nous sommes réunis pour une concertation. Qu'avez-vous l'intention de faire euh, un recours Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Mais les prochains jours vont vous édifier, vraiment. Expliquez-nous un peu de façon générale, on constate que dans euh, les partis politiques, euh, ce sont les hommes qui dirigent au lieu des femmes. Que comptez-vous faire pour changer cela en fait, vous savez, c'est pas que euh, la femme ne peut pas diriger. C'est que jusqu'à présent, il y a une sorte de suprématie des hommes sur les femmes. Et vous savez, les préjugés là, jusqu'à présent, ça persiste. Parce qu'une femme, même si elle est devant, euh, quelquefois, il y a la famille, il y a l'entourage qui essaie de la faire fraîchir au profit de l'homme, quoi. Vous ça continue jusqu'à présent dans les partis politiques. Concrètement, qu'est-ce que vous avez l'intention d'entreprendre pour combattre cela Bon, il y a eu beaucoup des actions qu'on a menées et nous continuerons. Vous savez, plus vous faites des actions, plus vous acquérez des expériences pour améliorer ce que vous avez fait et élaborer de nouvelles stratégies pour pouvoir atteindre votre objectif. Et après la formation de l'avant-dernier gouvernement, vous avez réagi, vous êtes allé jusqu'à rencontrer le Premier ministre. Et pensez-vous que cette fois-ci, les actions que vous comptez entreprendre puissent en cas résoudre un peu le problème les prochains jours, en tout cas, vont nous édifier, nous tous. Nous, nous, avons, nous aurons des actions à mener et nous allons voir si vous et nous, on va constater si ça va réussir ou pas. Ça veut dire qu'il va y avoir un changement de stratégie Inch'Allah, Inch'Allah. Ce Ce serait plus la rencontre avec le Premier ministre, ce serait autre chose Inch'Allah, on est fatigué de faire les rencontres, on est fatigué. Vous allez passer à la vitesse supérieure Inch'Allah, Inch'Allah. En quoi faisons-nous ça Non, non, non, non. Ça, ce sont nos stratégies. Une fois sur le terrain, vous allez les constater. Ce qui est sûr, ne serait pas la même stratégie Pas du tout, pas du tout. Les choses vont changer. Mais oui. Et vous êtes confiante Parfaitement confiante. Et vous pensez que les femmes euh, vont vous suivre dans ces actions-là pour que ça aboutisse Inch'Allah, parce que nous, certes, nous sommes les actrices, mais y compris les autres femmes, parce que il y a eu beaucoup de coups de fil, les femmes se sont déplacées dans les différents sièges pour demander la réaction des différentes structures. Vous voyez, donc elles prêtent l'oreille à cela et je suis sûre qu'elles vont sortir au cas où nous lançons un mot d'ordre, Inch'Allah. Elles vont nous suivre, elles sont avec nous. D'aucuns pensent que la femme rurale, euh, elle ne fait pas de cela un problème. Bon, pas toutes. Pas toutes. Parce que même euh, les femmes citadines, il y a celles qui ne font pas de ça une, une préoccupation, malgré qu'elles sont minimes, quoi. Parlons aussi salubrité dans ce forum. Le programme Niamey Niala a initié cet après-midi une rencontre entre les différents chefs de quartier de la ville de Niamey. L'objectif est de se concerter, d'échanger et de mutualiser les connaissances et les savoirs avec ses principaux acteurs de la ville sur la question de salubrité et la gestion des déchets dans la ville de Niamey. D'autres détails avec le commissaire au programme Niamey Niala, Mokhtar Mamoudou. Il est au micro de Mokhtar Amadou. Cette rencontre euh, s'inscrit dans cette euh, logique euh, de concerter, et d'échanger et de mutualiser les connaissances et les savoirs avec les différents acteurs de la ville. La rencontre est spécialement dédiée à la question de la salubrité, la gestion des déchets de la ville de Niamey et nous estimons et nous sommes déjà, nous sommes certains que les chefs de quartier constituent des acteurs acteurs euh, essentiels, des acteurs euh, incontournables dans euh, l'approche et dans cette dynamique de prise en charge de la gestion des déchets de la ville de Niamey. Nous sommes en train de mettre en place une stratégie pour trouver ou bien pour vraiment mettre fin de façon définitive à cette problématique de gestion des déchets de la ville de Niamey. Et aujourd'hui, aujourd'hui, cette rencontre a été enrichissante dans la mesure où nous avons écouté les chefs de quartier à travers des propos euh, pertinents. Nous avons trouvé à ces chefs de quartier euh, des experts euh, locaux. Ils nous ont appris énormément de choses et nous allons profiner notre stratégie en prenant en compte leurs préoccupations, leur vision et surtout à partir de maintenant, nous allons de façon permanente, de façon continue, collaborer avec euh, ces chefs de quartier pour que euh, ensemble nous puissions prendre en charge cette problématique de gestion des déchets dans la ville de Niamey. Monsieur le commissaire, quelles sont les grandes décisions qui ont été prises à l'issue de cette réunion Il est difficile d'arrêter des grandes décisions, mais je dirais qu'il y a eu des contributions euh, importantes. Euh, les chefs de quartier ont soulevé euh, trois problèmes majeurs. le premier problème, c'est qu'il faut leur donner plus de force, plus d'autorité. Et pour leur donner plus d'autorité, il faudrait d'abord les impliquer dans la réflexion dans la définition de la solution, mais aussi dans la mise en œuvre. Nous allons les associer à tous les niveaux. La deuxième chose, euh, ces chefs de quartier euh, soutiennent l'idée de la mise en place d'une brigade, une brigade qui est susceptible, qui est capable de faire respecter les règles sur le terrain. Et ces chefs de quartier nous ont euh, donné leur adhésion, ils nous ont donné leur soutien dans euh, la mise en place de cette brigade sanitaire dans tous les quartiers de la ville de Niamey. Et la troisième chose, c'est que il faudrait que ces chefs de quartier puissent avoir euh, cette possibilité, cette crédibilité de dynamiser les acteurs locaux. Les acteurs locaux, surtout ceux qui sont informels. Il s'agit particulièrement des groupements de femmes, des groupements de jeunes qui sont là, qui existent, qui ont une force, qui sont une force vraiment euh, présente sur le terrain euh, peut utiliser, euh, peut euh, vraiment impliquer dans la prise en charge de la gestion des quartiers. Et les chefs de quartier se voient capables de mener cette mission et c'est à cela que nous allons nous atteler en collaboration étroite avec ces acteurs de haut niveau. Monsieur le commissaire, après la grande mosquée de Niamey, où sera la prochaine étape La grande mosquée est considérée comme un lancement. Et là, nous allons euh, nous attaquer à, certains endroits euh, de la ville de Niamey, mais cette fois-ci dans une approche euh, durable. C'est-à-dire que là où nous intervenons, nous essayons à chaque fois de mettre en place un système de gestion durable de telle manière que le problème soit résolu de façon définitive. Et ce processus suit son cours jusqu'à s'implanter de façon consistante sur le terrain et permettant quelque part un changement dans la pratique, un changement dans la conception, un changement dans le comportement de tous les citoyens, de tous les citadins de la ville de Niamey. Est-ce que le Haut Commissariat Niamey-Niala a les moyens de sa politique C'est trop dit. Les moyens, c'est un gros mot. Il y a des problèmes, il y a des moyens. À nous de faire en sorte que ces moyens puissent correspondre. Et nous menons la réflexion. L'association des acteurs, comme les chefs de quartier, c'est aussi des moyens. Donc je pense qu'une fois qu'on arrive à rassembler tout le monde, tous les acteurs à tous les niveaux autour de problèmes, euh, ça m'étonnerait que le problème ne soit invincible. Au niveau de la ville de Niamey, on dit toujours qu'il n'y a pas de moyens. Est-ce que la collaboration va être effective entre le commissariat Niamey-Niala et la ville de Niamey Oui, vous savez, depuis longtemps, il y a eu pas mal d'actions hein, pour lutter contre l'insalubrité de la ville. Je dirais peut-être que ces actions n'ont pas réussi. Aujourd'hui, nous allons tirer les leçons. On va voir euh, dans ce qui a été fait, euh, quels sont les insuffisances et nous allons ensemble, avec tous les acteurs, réfléchir pour trouver les solutions. La solution, c'est pas Nyamenyala qui la détient. La solution, elle sera partagée. Elle sera vraiment un sujet de réflexion qui associe tous les acteurs et chacun va apporter sa contribution. Et je n'ai pas de doute que ensemble nous allons trouver la solution. Ensemble, nous pouvons réunir les moyens. Moi, je reste très très optimiste par rapport à cette démarche. Monsieur le commissaire, on vous remercie. Merci, cher monsieur. Vous venez d'entendre le commissaire euh, du programme euh, Niamey Niala Mokhtar Mamoudou. Enfin, le président du Conseil supérieur de la communication a présidé ce matin la session ordinaire du mois d'octobre. Plusieurs points sont à l'ordre du jour, dont la question du retrait des conséquences des fréquences pardon, radioélectriques en cessation d'exploitation. De quoi s'agit-il L'oratou Ibrahim Gato s'est entretenu avec Ali Husseini Suntalma, vice-président du Conseil supérieur de la communication. Nous passerons en revue les modalités de retrait des fréquences euh, attribuées aux différents organes. Et pourquoi cela Parce que c'est la loi qui le dit. Lorsque euh, le Conseil supérieur de la communication vous attribue une fréquence qui est une ressource naturelle rare qui appartient à l'État, vous, vous en faites l'exploitation. Alors il se trouve, il y a des médias qui ont eu des fréquences ou qui sont en cessation d'exploitation ou qui n'ont même pas connu de début d'exploitation. Donc nous allons examiner les différentes modalités de retrait euh, des fréquences allouées par le Conseil supérieur de la communication. Et conséquemment, donc, avant le retrait, là, nous allons décliner, discuter et préciser les modalités d'organisation des audiences publiques. C'est la loi qui encadre le métier de l'exercice des journalistes qui l'impose et nous allons suivre le train de la loi. Une fois les fréquences reprises, qu'est-ce que vous allez faire avec ces fréquences Mais avec ces fréquences, nous allons les attribuer à d'autres dont les demandes sont en souffrance ou qui viendraient. Et comme l'a dit le président dans son discours d'ouverture, euh, les actes posés par le Conseil supérieur de la communication sont toujours des actes administratifs qui sont susceptibles de recours lorsque les requérants le désirent devant le Conseil d'État qui est la plus haute juridiction administrative de notre pays. Il faut nous expliquer, les fréquences radiophoniques sont des ressources limitées. Elles sont limitées parce qu'elles ne sont pas extensibles. Par définition, tout ce qui est limité est en nombre restreint. Alors, même si nous voulons distribuer 1000 fréquences, nous n'avons pas les moyens aujourd'hui. Donc, comme leur nombre est très limité, et ce qui fait leur rareté. Et comme tout ce qui est rare est précieux, euh, vous voyez, prenez l'or, il est précieux parce qu'il est rare. Alors ces ressources appartiennent à l'État. Quand nous les retirons, nous les confisquons pas pour nous cesser. C'est des ressources qui appartiennent à l'État. Et l'État nous a concédé, nous, l'attribution de par les textes de la République et les régis par la loi. Est-ce que ces fréquences concernent aussi les télévisions Absolument. Les fréquences concernent aussi bien les télévisions que les radios. Il y a que les journaux qui n'ont pas besoin de fréquence parce que là, euh, c'est régi par un autre code. Vous avez le nombre de radios non, nous allons passer en revue. on n'a pas le nombre exact. C'est à la plénière de passer en revue le nombre des radios. Euh, il y en a qui, au, au terme de l'audience publique, lorsqu'elles se défendront, mais elles vont sauver leur fréquence. C'est lorsque vous ne vous défendrez pas devant l'audience publique que vous perdrez la jouissance de la fréquence. Donc, c'est c'est une opération très démocratique. Nous n'allons pas amener à la guillotine qui nous voulons et c'est encadré par la loi. Il n'y aura pas d'arbitraire. Euh, rassurez-vous, ça va se faire dans les règles de l'art. Ali Ousseini Suntalma, vice-président du Conseil supérieur de la communication, Fidèles auditeurs, c'est ici que s'achève cette émission. Merci de rester à l'écoute, d'être resté à l'écoute du studio Kalangou. On se donne rendez-vous demain à la même heure, même temps d'antenne. Au revoir.